monsieur le préfet du département de Thiès, monsieur le médecin chef de région, monsieur le médecin chef de district, euh, mesdames, messieurs les invités de la ville de Thiès, Monsieur les membres du bureau adjoint au maire ici présents, Mesdames, Messieurs les conseillers de la ville de Thiès, Monsieur le secrétaire général de la ville de Thiès, Monsieur le directeur de cabinet euh, je suis ci tamit di beaucoup képp beaucoup de ci cabinet mais j'ai insister particulièrement euh, ci ki nga xam ne dit Mohamed Ndiaye di Gonza directeur des affaires sociales et sportives mais moom ak euh,

ci mairie ville de Thiès ñëw bii di ñetteelu yoon mu dajewaat ak même événement bi di les journées médicales de Thiès Baye Cheikh Baye Cheikh wutal leen ko mu mu toog waaw euh, loolu nag boo gisee ñu di ko def bis ni tey man ak conseillers yi bis ni tey la ñu installé woon 24 juillet ba mu njëkkee ñëwaat ak mu njëkk ma en 2015 ñun ñu ni ni ñu mën a def pour anniversaire boobu mooy delloo njukkal askan wi ñu ko dénkoon ñu gis ne ci anam bi ñu ko war a gën a mën a defee mooy def ay journée médicale consultation gratuite soins gratuits distribution gratuite de médicaments boobaak léegi ñu di ko def ren nag mu daje ak mbas mi euh, nga Afrique Tegouti Sénégal ba yegsi ci Thiès muy mbas da ngeen def liggéey bu rafet boo xam ne boobaak léegi saa yu ñu amee occasion bi ñu ngi koy saluer kon ñuy jaar la ci yow ngërëm boo xam ne ñi ngi ko jagleel képp koo xam ne mi ngi yëngatu ci wàllu santé fii ci biir Sénégal ndax su fekkee ne contenir nañu yëf yi ba léegi taxawaay bu mucc ayib boobu la euh, fii nag ci biir Thiès dañoo taxawal comité de veille dès le 16 mars, c'est-à-dire deux jours après les premières décisions du président de la République. Mais d'ailleurs, les acteurs communautaires Tejiti Tidjataï, ci jataay bi sëriñu daara fi oustaz Aruna Bachir Ba ndeyu daara yaa fi ci aram soxna Fatou Badiane étudiants yi bokk ci six universités du Sénégal te dëkk Thiès ñu ngi fi éclaireurs yi ñu ngi fi délégués de quartier yi ñu ngi ci biir imam yi ñu ngi ci biir ñépp ñi nga xam ne dañoo nekk ci société civile bi ci biir dëkk bi ñu ngi ci biir muy forum civil ak ñépp université mu ngi ci biir euh, IF mu ngi ci biir IA mu ngi ci biir donc dañu gëm ne bu fekkee da nga bëgg a jàkkaarloog mbas d'angay déclencher une synergie communautaire parce que combat communautaire lola ce koy gagné ba fexé ba des cas communautaires loolu def ci euh, Serigne mi nga day am ak di suñu kilifa depuis le début nous avions dès le départ suivant ce ngeen xelal nit ñi nous avions dès le départ opté pour sécuriser les enfants qui sont dans Pendant 99 jours, Monsieur le Ministre, nous avons donné 15 650 talibs. Burki Dembo, qui a fait 99 ème jour, qui a fait accéléré nos darés, qui a fait une réunion, qui une conférence de presse, là, nous suspendons wañu daara ndax dañuy bër bu ñuy jub tabaski daara yi dañuy bar bër ñii benn weer ñi ñaari weer fekk na nag ñu commencé ay waxtaan ak ministère de l' éducation nationale pour fexe ba wéyal loolu ci contexte boobu nga fi ñëwee tey euh, Mohamed Ndiaye Gonza directeur des affaires sociales et sportives wax na la ni ren bi compte tenu du contexte journée médicale yi ni ñu ko defee mooy dañ ko jëmale ci euh, waylaago yi nga xam ne am na ñu leen teewal fii ci jataay bi Massamba Sey euh, Dieynaba jàlloo euh, ñoom Amari Thiam ña ngay toog ñenn ñi di ñu xaar ca barab yooyu comme xam nañu ne tey da am programme yu bari moo waral wërloo wuñ la centre yi ñu ñëwul ñu ñëw ñu wax la nga ñëw fii boo ko defee ñun ñu demal la ca centre loolu la ñu amoon pour wax la ko di ñaan mission bi mu àgg ak jàmm yëg nañu raaya bi ñu la ci jox ñu lu ko mu mel ne ñun lañ ko jox di ñaan yàlla na ko jariñoo yàlla na nga ko muurloo yàlla na doon loo xamante ni ndamul Sénégal yépp lay doon sa waroon nañu loolu dalal la fii euh, en tant que suñu ministre de la santé de l'action sociale dalal la fii ci anam boo xam ne ah anam boo xam ne euh, ñun ñii ci suñu bopp xam nañu ne

Madame la Présidente, honorable député Avakei, honorable député, Monsieur le Gouverneur, Madame la Directrice Générale de la Santé, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur le Préfet, euh, Monsieur le Gouverneur, c'est toujours pour moi un plaisir de venir ici à Thiès mais ce plaisir est d'autant plus important pour moi que ici à Thiès, au niveau de la ville, l'exécutif de la ville est incarné par euh, un homme d'une dimension exceptionnelle. Donc, monsieur le maire, je vous félicite et Thiès peut être fier de votre action. C'est la troisième fois, vous l'avez dit tout de suite, depuis euh, l'initiative de ces journées médicales, que moi-même, je me présente ici à Thiès à l'occasion de cette journée. Je crois que c'est la sixième édition. Et voilà avoir le Yag de Monsieur le maire, je vous félicite. Vous avez compris que la santé est au début de tout développement. Sans santé, il ne peut pas y avoir d'activité. La preuve éloquente, c'est qu'aujourd'hui, la COVID-19 est venue stopper tout le processus de développement économique et social du monde. J'ai là bien compris par euh, votre ingéniosité. Vous pouvez compter sur euh, chef de l'État, c'est un secret de politionnel, je peux le dire. Vous pouvez compter sur le gouvernement du Sénégal, mais vous pouvez compter sur le ministre de la Santé et le ministère de la Santé pour être de manière permanente à vos côtés, pour appuyer la ville, parce que la santé étant une compétence transférée, euh, sa mise en œuvre au niveau territorial est incarnée par l'autorité locale, mais du côté de la politique nationale, nous sommes là à vos côtés permettre véritablement une bonne mise en œuvre de cette compétence que l'État a bien voulu vous transmettre. Dans le euh, contexte de la Covid, je dis que vous avez véritablement accompli votre mission encore une fois. je vous remercie, vous venez de me donner un lot de masques qui est un véritable symbole. Parce qu'aujourd'hui, le masque se révèle être l'arme fatale contre la Covid-19 sommes dans un contexte où la pandémie est à 75% installée au niveau de Dakar. Mais nous savons aussi que dans sa progression sur l'axe dakar pièce roubaix 9 cas sur 10 sont dans cet axe et 7 cas sur 10 sont à Dakar. Donc, nous sommes en train véritablement de dire aux populations ce que l'éminent artiste vient de vous dire. Donc félicite Ngouri. Et Ngouri, euh, le pays vous connaît. Et quand vous êtes euh, entré dans une surprise artistique extraordinaire, j'ai vu ma sécurité courir pour vous stopper. Et je me suis dit, mais cette sécurité-là ne regarde peut-être pas la télévision, tout le monde vous connaît donc venez de démontrer de manière éloquente et nous lire le seul message du Bible. Et moi j'ai envie, par le biais du, Snaps, mon service de communication est là d'amplifier ce message. Le message de Mouri de Thiès mérite une amplification nationale parce que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais doit prendre en charge à son niveau la réponse. Désormais, la réponse n'est plus médicale. Elle est communautaire et tout le monde sait qu'une réponse communautaire doit s'appuyer sur l'engagement citoyen de chaque participant de cette communauté. Et c'est fondamental. Si chaque Sénégalais met le masque de manière permanente et ne s'en sépare pas, la Covid va disparaître. Et ça, il faut que les Sénégalais et les Sénégalais le sachent et nous aident à être efficaces dans nos réponses. Nous demandons donc à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais de se rendre compte que fondamentalement, la réussite de la réponse engagent leur propre responsabilité citoyennes. Nous allons vers la Damasie, monsieur le Et très souvent, pendant la Damasie, on se déplace pour aller fêter la Damasie à son lieu de, naissance, souvent. Il y a un risque qu'il faut signaler. C'est le risque de dispersion et de la propagation de la maladie. Jusque-là, on disait Dakar, qui est nous sommes dans une stratégie d'endiguement et nous croyons effectivement contenir. Il ne faut pas que la tabasquie soit une occasion d'une haute dispersion au niveau, au niveau national. Ça va encore rendre notre mission et notre tâche beaucoup plus compliquées. C'est pourquoi le message que je lance, c'est de demander à chaque Sénégalais de rester là où il est et de faire des attaques. Le message que je lance parce que ça nous donne plus de chances d'endiguer la maladie et de la contenir à un niveau maîtrisable pour éviter une nouvelle dispersion de cette maladie. C'est un message important ici. Monsieur le maire chaque fois que vous ñëwee Thiès me ma sentir ne bien ñëw bu parce que Je nekk ñeme naa vous ay nuyu gouverneur bu baax ak préfet di nuyu l'honorable député Awa xamante ne moom moo jiite commission bi xamante ne moo yor wàllu santé action sociale ak yooyu mu ànd ak délégation wu ay parlementaire ñu gunge ñu si mission bi ñu def Thiès parce que ñëpp xam nañ ne assemblée dañoo am benn mission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques moo tax di ànd ak ñoom de temps en temps mission yu terrain ñu seetlu li ñuy votel si budget ñun naka lañ koy mettre en œuvre baax na moo tax l'honorable député Awa maa ngi lay remercier si sa disponibilité yow ak sa délégation di nuyu madame la directrice générale la santé boo xam ne nga xam ne bu baax Thiès di wax ne pour bañ a guddal journée médicale bi maire def yoonam bi ma koy fekk nga xam naa ñu ngi juróom-benneelu édition warootu wax ne lu yàgg dëgg la mais fa mu ko defee dafa am solo parce que santé dafa nekk compétence transfert commune yi ak ville yi yore ko état bi yor si pàcc di leen si jàppale mais na gëm ne président laa la république gouvernement ministère la santé ñun ñëpp ñu ngi si borom pour jàppale ko mu réussir mission boobu parce que xam nañ ne soxla askan bi moo ko soxal may terminer nag si mbas mi mbas mi toll na foo xamante ne ku si nekk rek si ñun war nga xam ne yow yaa yore solution li nguur def léegi muy message bu am solo message boobu nag baax na sénégalais bu nekk dégg biir dina toll foo xamante ne ku nekk lii tax ñu régler problème yaa ko yoral sa bopp te ñun foofu lañu toll bu sénégalais bu nekk ne woon duma tàggook tàggoog sama masque lu ma fukki fan ak juróom waar ñaar fukki fan ak benn masque bi du jóge si man benn yoon sénégalais yépp décidé def ko mbas mi doona ko jóg bon dëgg ñu ngi lancer un appel demander sénégalais yi ñu jàppale ñu si loolu respecter les mesures barrières mooy masque bi mooy di raxas loxo yi mooy aussi di dandante au moins loo xamante ne benn mètre beneen bi nag mooy tabaski bi ñu jëm tabaski déplacement yi day bëri ñu bëri dañuy bëgg a tukki dem defi tabaski bi feneen mais puisque risque bi mooy que ne ñu saaw jàngoro mu dem soo xamante ne newu fa woon message bi may lancé mooy fexe ba ku nekk fa nga nekk actuellement nga toog foofu fete fa tabaski loolu message bu ñu lancé la parce que danañu mën a tax maîtriser risque wu propagation ak dispersion wu feebar message boobu laa lancé depuis Thiès di ñaan yàlla Sénégal yëpp dégg ko pour que ñu am plus de chance pour am ay victoire si combat bi xam ne dañu koy combattre comme la